le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous hebdomadaire, le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du Forum de la presse d'aujourd'hui, la loi des finances 2019 sur la table du Parlement, session dite budgétaire de l'Assemblée nationale du Niger. La semaine dernière, le gouvernement avait adopté le projet de loi de finances 2019 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 2050. 50,116 milliards de francs CFA, soit une hausse de 118,79 milliards par rapport à celui de 2018 en cours d'exécution. Selon certains acteurs, au parfum de ce projet de loi de finances 2019, ces derniers comportent également des mesures qui feront grincer des dents. Au plan santé, nous parlerons d'expérimentation de solutions contre la malnutrition dans la région de Maradi où l'on apprend aux femmes des recettes culinaires nutritives aux enfants. À Magaria, région de Zander, mortalité infantile élevée avec une moyenne de 10 décès par jour observée par l'ONG Médecins sans frontières a rapporté l'agence France Presse. Et dans la région d'Agadez, une autre maladie avec une forte prévalence est observée depuis plusieurs semaines. Elle est caractérisée par une forte fièvre, diarrhée et vomissement. En dehors de cette maladie, il a été aussi relevé une forte prévalence de paludisme aigu, ainsi du 27 août au 23 septembre 2018, 14 300 malades ont été recensés, dont 64 morts. Enfin, volet sécurité routière, le 1er octobre s'approche, date butoir pour l'entrée en vigueur de la mesure rendant obligatoire le port du casque de protection et de la ceinture de sécurité. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes avec nos confrères Abba Boukar, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Abba. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Et Roufaï Dandoua également, journaliste avec nous. Bonsoir Roufaï. Bonsoir. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation à la présentation à la Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 28 septembre 2018. La loi des finances 2019 se profile à l'horizon avec le début mercredi de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. La semaine dernière, le gouvernement avait adopté le projet de loi de finances 2019 qui s'équilibre, je le disais, en recettes et en dépenses à 2050,76 milliards de francs CFA, soit une hausse de 118,79 milliards par rapport à celui de 2018 en cours d'exécution. Au parfum de ce projet de loi de finances 2019, Moussa Changari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, explique les nouvelles mesures drastiques contenues dans ce projet de loi 2019. Il note par ailleurs que les opérateurs de la téléphonie mobile exonérés de la TATI l'an dernier paieront la taxe en 2019. Vous allez voir ce qui concerne les secteurs des transports, beaucoup de choses vont changer. Par exemple, si vous avez un taxi de 1 à 8 places, et avant vous payez 50 000 francs par an. Maintenant, vous allez payer 60 000 francs par an. Donc c'est une augmentation de 10 000 francs. Si vous êtes dans les activités, par exemple, du commerce, même un vendeur euh, dans la rue payera au moins 30 euh, 000 francs par an. Et même une vendeuse au, marché donc euh, devra pouvoir payer. Ça, c'est ce que tu vas payer à l'État et ça n'exclut pas ce que tu peux payer donc au niveau de la collectivité. Par exemple, un paysan qui contracte un prêt au niveau d'une banque pour faire une réalisation, avant, bon, euh, il ne payait pas de TVA sur l'argent qu'il emprunte. Maintenant, il va payer une TVA sur l'empreinte qu'il fait. Vous voyez, c'est un exemple. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce qui a été changé. L'autre changement important, c'est le retour de la TATI. L'année dernière, donc, ça a été supprimé de la loi des finances. Cette année, donc, le gouvernement veut lui-même ramener la Tati. Moussa Changari, euh, sujet d'alternative espace citoyen que vous venez d'écouter. Rufai Dandoua, euh, vous avez écouté Moussa Changari. Qu'est-ce qui retient particulièrement, vous, votre attention dans ce qu'il a développé euh, bonjour d'abord. Au-delà de ce que Moussa a dit, je retiens d'abord la présentation du, du ministre des Finances devant le, Parlement et de tous les commentaires que cette loi a suscité dans la presse et sur les réseaux sociaux. J'ai vu d'abord euh, l'augmentation du budget de l'Assemblée nationale, du budget de la présidence et du budget de, la primature. J'ai vu surtout que le, budget de l'éducation stagne encore à 20%. C'est dire que les promesses euh, des autorités de la 7e République ne sont pas encore atteintes d'atteindre 25 à 27 pour l'éducation à un moment où nous sommes encore et toujours en queue de peloton dans l'indice de développement humain et qu'on sait j'ai vu un rapport aussi qui dit que le niveau des, des, élèves est en forte baisse au Niger. Je pensais que ça allait interpeller les décideurs pour que le budget de l'éducation, de la santé et surtout des, services sociaux de base allait augmenter, mais apparemment ça n'a pas ému beaucoup euh, certains décideurs. Je pense que on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme certains le disent, et que euh, les conséquences des manifestations de, de la loi des finances 2018 risquent encore euh, d'être importante et que les manifestations vont et, euh, se poursuivre euh, en 2019, alors qu'on avait pensé qu'avec les mouvements qu'on a eu un peu partout au Niger, que les autorités allaient se dire bon, il faut revoir certaines choses. Bien sûr que Moussa le disait, la Tati allait revenir sur la pression sûrement des, acteurs de, la société civile, mais aussi d'autres personnes parce que l'État a, compris qu'il y a beaucoup de manques à gagner. Je pense que sur ce plan, on peut euh, dire que quelque chose a été fait, mm. mais je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'ouverture. Euh, Abbas Boukar, vous avez écouté Tchangari par rapport à, cette nouvelle loi, en tout cas qui s'est produite à l'horizon, loi des finances 2019. Oui, euh, je pense que ce que Moussa vient de dire montre que au moment où on n'a pas fini de décrire la loi des finances 2018, euh, celle de 2019 vient corser la situation des ménages euh, nigériens. Euh, on pensait que le gouvernement pouvait entendre raison, mais là on voit qu'il continue sur la même lancée avec des mesures encore qui demandent encore plus aux ménages nigériens dans un contexte de paupérisation, dans un contexte euh, assez difficile. donc voilà, pour moi, c'est un peu le premier commentaire que j'ai fait. Je pense que les Nigériens, c'est à eux de dire maintenant est-ce qu'ils veulent continuer dans la même lancée Est-ce qu'ils veulent changer euh, Cette année a peut-être quelque chose de nouveau. Euh, pour la première fois, le gouvernement a publié le projet de loi des finances sur son site. C'est donc normalement accessible à tout le monde sur www.finance.gouv.ne. Mm-hmm. Donc, euh, au moment où les parlementaires vont engager les discussions, ça veut dire que chaque Nigérian a la possibilité, en tout cas ceux qui ont accès au, web, mm d'aller télécharger ce document de travail et de regarder la proposition du gouvernement, puisque c'est cela le document de base euh, sur lequel le Parlement va travailler. Mais de façon globale, je pense que euh, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement va continuer à demander plus d'argent aux ménages nigériens. Euh, il a dû atteindre <clears throat> certaines limites en matière de mobilisation de ressources ailleurs, puisque maintenant la dette atteint plus de 43% du produit intérieur brut. C'est énorme. Euh, rien qu'en 2015, on était autour de 35-36%. Ça montre que c'est endetté euh, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, apparemment, la solution culturelle, c'est de demander plus d'argent aux, au ménages nigériens. Mais le gouvernement veut à la fois le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire euh, Vouloir le beurre et l'agent du beurre, c'est de dire je ne fais aucune communication vis-à-vis -vis de l'impôt. Je ne fais rien pour convaincre les citoyens qui sécurise l'argent public quand l'argent rentre dans les caisses de l'État. Il, fait très peu de social. il faut y rappeler la question de l'éducation et de la santé. En même temps, il demande aux gens de payer. donc, finalement, lui, il, a l'impression qu'il n'a aucune obligation de rendre compte vis-à-vis des citoyens. Il va dire aux gens la situation est difficile, donner plus d'argent, donner plus d'argent. Il fait très peu de social. Et en même temps, il demande au ménage de serrer la ceinture. Donc lui, il veut à la fois le beurre, euh, l'agent du beurre, et se met dans la position où c'est toujours les autres qui payent. Lui, il ne fait aucun effort. Alors, sein Issa, vous, quelle est votre analyse au sujet de la hausse, en tout cas constatée, du projet de budget de, loi de finances 2019 euh, par rapport à celui de 2018, une hausse d'environ 118,119 milliards Bon, d'abord, je considère que c'est un budget irréaliste irréaliste. Pourquoi Parce que le tout n'est pas de concocter un projet de budget faramineux pour montrer que on est en train de progresser. Le plus important, c'est qu'on crée les conditions pour que effectivement ce qu'on a pu mettre dans la loi ou dans le projet de loi, qu'on puisse mobiliser les ressources. On a vu des gens dans ce pays dire que la contestation, depuis un certain temps, j'ai entendu des gens dire euh, pourquoi les gens vont continuer à contester <laughs> la loi de finances 2018 Parce que tout simplement, on est dans le processus 2019. Mais le conseil, là, c'est que malheureusement, les mesures fiscales antisociales qui ont été inscrites dans la loi de finances 2018 ont été reconduites dans leur écrasante majorité dans la loi de finances 2019. Ça veut dire que la lutte que les gens ont décidé d'engager, parce que tout simplement, c'est une lutte sociale, ce n'est pas une lutte politique, parce que les gens ont voulu l'assimiler à une lutte politique, ce n'est pas une lutte politique. Tout le monde a ressenti ça, en tout cas dans sa poche, dans son portefeuille, tout le monde a ressenti au cours de l'année 2018, euh, qui n'est pas encore terminée, que effectivement, ça pèse lourd alors que les revenus des citoyens ou des ménages, le revenu n'a pas connu une hausse. Le revenu est resté, et comme on avait dit, les gens sont paupérisés. On ne peut pas demander, dans un pays où le niveau de vie ne connaît pas de hausse sensible, on ne peut pas demander aux citoyens à la base de prendre en charge, parce que souvent, je suis choqué quand j'entends des gens dire, ah, les gens ne veulent pas payer l'impôt. Mais les gens ont toujours payé l'impôt. La TVA, ça existe sur tous les produits qu'on achète. Les gens payent ça. Quand tu achètes le consommateur final, là, tu payes la TVA. Mais quand j'entends des gens dire non, on ne paye pas l'impôt. Mais on a toujours payé l'impôt depuis la période coloniale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir dire au XXIe siècle que les Nigériens refusent de payer l'impôt. Les Nigériens ont toujours payé l'impôt. Mais la problématique, c'est quoi L'argent qui est mobilisé. Est-ce que cet argent-là, est-ce qu'il est judicieusement utilisée dans le sens de faire la promotion des ressources humaines dans le pays. L'école ressemble à quoi aujourd'hui La santé ressemble à quoi Parce que tout simplement, de l'autre côté, on refuse de faire des concessions, on refuse de faire des ajustements au niveau de l'État. Mais de l'autre côté, on demande aux citoyens à la base qui, qui, peinent déjà à assurer leur survie quotidienne, on leur demande de mobiliser davantage. Et on fait comprendre que ces citoyens-là, à la base, ne payaient pas l'impôt. Mais les gens payent l'impôt, les gens ont toujours payé l'impôt. Il faut qu'on arrête ce discours-là, parce que c'est un faux discours. De l'autre côté, la taille du gouvernement, le train de vie de l'État. Les gens ont toujours demandé à ce qu'on réduise le train de vie. Quand vous voulez que les gens euh, euh, fassent des, comment, des, des sacrifices supplémentaires, c'est que vous devez donner l'exemple pour vous, cet exemple n'a pas été donné Non, mais malheureusement, non. Parce que tout simplement, quand vous allez dans les cabinets, quand vous allez voir des gens qu'on recrute comme ça en tant que conseiller, en tant que, comme euh, comme avait dit, chargé de mission, qui sont là à ne rien faire, on prend l'argent public, on les paye à la fin du mois. Abassan, vous voulez La question de l'impôt, j'insiste là-dessus, c'est une question extrêmement importante. Je ne connais pas un seul pays au monde où les gens payent l'impôt naturellement. On paye l'impôt parce qu'il y a un effort pour encourager les citoyens à payer l'impôt. Euh, le fameux discours, un bon citoyen, c'est celui qui paye l'impôt, c'est un discours trop vague. Nulle part, ça n'a mobilisé l'impôt. Il faut que l'État montre qu'il est sérieux avec l'impôt que les citoyens payent. Il faut que l'État montre que lorsqu'il mobilise l'impôt, il fait ce qui plaît aux citoyens, il, va dans les priorités des citoyens et il sécurise l'impôt. Il peut encourager les, les gens. Dites-moi aujourd'hui quels sont les efforts qui sont pour encourager les gens à payer l'impôt. On ne paye jamais l'impôt naturellement. Les gens payent parce qu'il y a des actions pour amener les gens à payer l'impôt. Alors, Rufai euh, droit. quelles sont vos attentes, en tout cas, vis-à-vis de, cette nouvelle loi, en tout cas, qui se profile à l'horizon vous, savez, le, moi, le euh, c'est ce qui m'inquiète dans ce pays, c'est quoi C'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intérêt national, la société est toujours divisée. Lorsque vous êtes avec le régime, la loi puisse elle être la plus euh, drastique possible, vous la soutenez les yeux fermés. Il faut voir euh, euh, euh, sur, les réseaux sociaux. Les gens s'en fichent, les gens qui sont proches. Et, pire encore, c'est la jeunesse proche du régime qui est contente du fait que toutes ces mesures soient maintenues dans la loi de finances 2019. De l'autre côté, maintenant, et ceux, qui, ceux dont on suppose être à l'opposition, eux, ils ne sont pas contents. Demain, si, si ça change, et que le nouveau régime peut-être qui va venir, ça va être la même chose. C'est ça le danger dans ce pays. Le danger, c'est que la jeunesse nigérienne ne prend jamais conscience du problème qui est en train de, la guetter. Quand aujourd'hui, vous voyez même les manifestations anti-loi et sociales 2018 qui, qui, quelles sont les personnes qui sortent C'est presque toujours les mêmes. Et qu'est-ce qui fait ça Mais c'est ça que je sais, parce que la jeunesse nigérienne ne prend pas en compte ou bien ne prend pas conscience du problème eh, qu'enfantent certaines mesures sociales, qu'enfantent euh, certaines décisions euh, des gouvernements. Tant que tu es avec le régime, tu es aveuglé. Tu t'en fous du fait que l'autre ne vive pas bien, tu t'en fous du fait que l'autre est dans des situations difficiles. Pour toi, c'est un régime qui est là, c'est ton régime. Il faut et le préserver bec Alors que quand tu vas dans certains pays, et même ici au Burkina Faso, lorsque et le, le problème touche la société dans son ensemble, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. On s'est dit que non, si ça touche X, euh, d'une manière ou d'une autre, ça va me toucher. Donc, il faut que je défende mes, droits. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas au Niger. Et tant qu'on va continuer de, de la sorte, on, on, sera toujours dans des, dans, des, dans des, difficultés comme ça. Et c'est le peuple, l'ensemble ensemble, qui va souffrir. Parce que demain, toi qui penses être euh, au pouvoir, tu tu, deviendras dans l'opposition. Et enfin, nous allons passer, désolé, nous allons... en parlant, par exemple, de la taille du, gouvernement, mm. vous voyez eh, récemment Adal Robert qui, revient et dans le camp euh, à, la mouvance. Et encore, c'est des, des, charges supplémentaires pour l'État parce que lorsque tu es, eh, comment on appelle, eh, conseiller spécial avec 42 de tu as toutes euh, les, faveurs. vous voyez, c'est ça. et on dit que nous allons passer. et on dit qu'il y a une rupture générationnelle. Ça veut ça veut dire que les jeunes doivent changer de comportement vis-à-vis du vieux. Or, les adultes, ce sont les jeunes aujourd'hui qui sont censés être la relève de demain et malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge. Au plan sanitaire, euh, je l'avais dit tout à l'heure, à Magaria, région de Zander, Médecins sans frontières a alerté mardi sur le taux de mortalité élevé des enfants de moins de 5 ans où une moyenne de 10 décès par jour a été observée. Ces enfants souffrent de complications dues à des formes graves de paludisme ou de malnutrition, a indiqué l'ONG dans un communiqué pris par l'agence France Presse euh, MSF, est en train de prendre en charge 730 enfants dans cette unité pédiatrique de Magaria, dont 208 sont dans un état critique. Dans les centres de santé de Maradi, euh, des pistes de solutions sont en cours d'expérimentation concernant la malnutrition. De plus en plus, euh, dans les centres, l'on apprend aux mères des recettes culinaires nutritives pour leurs enfants. Maradi est connue pour être une des régions où sévit la malnutrition infantile depuis quelques années. Enfin, à Agadez, l'on continue d'enregistrer des malades atteints de diarrhée et vomissements du 27 août au début des premiers cas au 23 septembre, euh, au 23 septembre 2018. 217 cas pour 4 décès ont été recensés. Au centre hospitalier régional d'Agadez, ces malades sont gardés dans un pavillon spécial et reçoivent des traitements adéquats. Jusqu'ici, l'on ignore de quelle maladie il s'agit exactement. Les tests effectués auraient écarté la piste du choléra. En dehors de cette maladie, la population d'Agadez fait face aussi à une forte prévalence de paludisme aigu. C'est ainsi que du 27 août au 23 septembre 2018, 14 300 malades ont été recensés, dont 64 morts d'après le service programmation et information sanitaire à la direction régionale de santé d'Agadez. Alors, euh, Ousseinissa, qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, cette forte prévalence mortelle euh, du paludisme dans la zone de Magaria On l'a vu, et région de Zander et celle euh, de la région d'Agadez. Bon, de la malnutrition surtout, parce que bon, c'est un phénomène auquel on est habitué dans ce pays-là. Et ça dénote tout simplement une chose, c'est que véritablement les politiques publiques en matière de santé, c'est des politiques inopérantes à la limite. Parce que tout simplement, c'est des phénomènes qu'on connaît. Et on peut créer les conditions, on peut faire en sorte que on peut mettre euh, comment dirige euh, le dispositif en place pour éviter ce genre de situation. Quand on est confronté à des situations comme ça, on essaie de les traiter avec, bien entendu, l'appui des partenaires extérieurs, notamment, comment dire, les organismes qui sont souvent critiqués. Parce que les gens, quand ils s'élèvent, quand les organismes là, ils essayent de bâcher, parce qu'ils ont des répondants locaux on essaie de les critiquer pour montrer qu'ils sont là, ils font pas machin. Mais ça dénote tout simplement que les politiques publiques en matière de santé sont inopérantes dans ce pays. Où on rectifie le tir, on crée les conditions, on met en place les mécanismes qui puissent permettre d'éviter ces genres de situations, comme le palu, comme la malnutrition. On a connu des cas de malnutrition en 2005, je crois, mm. où on a atteint des pics euh, exceptionnels ça, fait, combien d'années la malnutrition, le palu il y a des campagnes de distribution, comme avait dit, de, de, moustiquaires imprégnés. Mais ça, ça, pose un sérieux problème. Ça veut dire que peut-être les produits qui sont commandés, c'est des produits qui ne sont pas adaptés. Et il faut dire aussi que souvent ces produits ne sont pas toujours utilisés. Hein. Non, mais bien entendu, parce que souvent les gens en font un commerce. Les gens utilisent, au lieu de distribuer aux populations nécessiteuses, les gens mettent ça sur les marchés. On a vu des, ventes de moustiquaires imprégnés, on a assisté à ces genre de situation-là. Ça pose problème, ça pose. Il faut réfléchir les politiques publiques il faut réfléchir. la réflexion par rapport aux politiques publiques, il faut descendre au niveau des populations, à la base, pour comprendre c'est quoi, quelle est euh, l'origine du phénomène. En tout cas, dans chaque société, en tout cas au niveau de la communauté de base, les gens savent c'est quoi leur problème. Alors... Mais quand c'est des gens qui réfléchissent en haut pour vouloir répercuter en bas, je dis souvent, ça ne donne pas les résultats escomptés. Et on est ah dans, dans, cette situation-là. On va continuer à évoluer dans cette situation, malheureusement, parce que tout simplement, les gens, souvent, qui sont mis même au niveau des postes de responsabilité, c'est des gens, ils sont là pour se faire de l'argent. Abbasan, euh, de la radio alternative, vous avez appris aussi euh, cette information. Quelle. Euh, moi, je, pense que je fais d'abord le constat qu'il a fallu une ONG pour donner cette information. Mm-hmm l'ONG, la boîte Médecins sans frontières, la boîte est importante, elle, elle est toujours confinée dans une portion de territoire. Or, celui qui est sur l'ensemble du département de Maghreb, c'est quand même l'État. 10 morts par jour, il a fallu une ONG pour le dire. L'État aurait pu le dire, informer les citoyens qui avons droit à l'information, connaître ce qui se passe dans notre pays. Il a fallu donc une ONG pour le dire. Deuxième chose, je rejoins Hussein. Encore une fois, on a eu l'occasion de le dire ici, le paludisme, ce n'est pas une On sait bien que chaque année, euh, en période de pluie, on atteint un pic avec des conséquences particulièrement dramatiques pour les plus faibles, c'est-à-dire les enfants. Ça, on le sait très bien. Et une des choses qui est aussi bien connue, c'est la prévention. Euh, il ne faut pas attendre la pluie et les morts pour parler au, au ménage. Il faut travailler les personnes, il faut l'information, il faut sensibiliser les gens sur la prévention, sur les conditions qui favorisent le développement de cette maladie, mais aussi faire en sorte de renforcer les capacités de réaction de l'État. Dans un pays, vous avez 10 personnes qui décèdent chaque jour, vous n'avez aucune capacité de réaction. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dramatique. On a vu des pays qui ont des situations, des systèmes de santé assez faibles. Hein. Je pense à des pays qui ont géré la fièvre Ebola, par exemple. On voit comment ces pays, de façon qu'on se sont rattrapés rapidement avec l'appui de la communauté internationale pour essayer de gérer des cas plus graves. Mais le paludisme, ce n'est pas une inconnue. On sait bien les moments pendant lesquels ça arrive. Donc, pour moi, nos politiques publiques sont défaillantes il faut bien qu'on arrive encore une fois à retravailler ces politiques, mais aussi investir davantage dans la santé. À un moment, on se rend compte que euh, euh, essentiellement, c'est l'État, ce sont les partenaires qui investissent en région. L'État reste au niveau central. Quand vous partez en région, ce sont les partenaires qui investissent. Et du coup, parfois, les partenaires sont mieux informés que l'État lorsque vous êtes euh, sur le terrain. Alors, l'autre aspect, c'est la malnutrition. Je pense qu'on a travaillé pendant presque 10 ans, investi de l'Agence sur la malnutrition. Le bilan qui a été fait il y a 2 ou 3 ans montre qu'on était encore au seuil d'alerte de l'OMS. On était à, 14,7 ou 14,8% de taux de malnutrition sévère. C'est le seuil d'alerte de l'OMS. Ça montre quelque part que le problème, ce n'est pas l'argent, mais on investit de façon totalement inefficace. Donc, il faut repenser comment on investit l'argent, parce que contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas toujours de l'argent qui manque. Quelquefois, on a l'argent, mais on l'investit mal. Et du coup, on n'atteint jamais les résultats. C'est là où peut-être euh, la politique bling-bling du ministre de, la Santé est un échec depuis qu'il était venu. On a comme l'impression qu'il y avait un règlement de compte, fermer telle euh, clinique, euh, laisser telle autre. Sauf qu'il y a des pratiques ah, oui, qui, oui, ah, sont, oui, les, pratiques qui ont été fermées. Oui, ce que vous venez de citer, c'est pire que certaines pratiques, les, les pratiques, petites pratiques qui se font dans certaines cliniques. C'est vrai, chacun veut, veut manger, mais quand c'est dans le domaine de la santé, il faut savoir le faire. Mais lorsqu'on se rend compte de, tout le résumé que vous venez de faire, et ce n'est pas seulement à Magria, ce n'est pas à Gadez et à Maradi, peut-être il y a d'autres encore, on ne sait pas ce qui se passe encore à, à Difa avec le phénomène de Boko Haram, on ne sait pas. Vous voyez, ça veut dire qu'il euh, faut être, être modeste et humble quand vous faites les choses. Ce n'est pas sortir à la télé, faire des tapages médiatiques, tu as été à tel endroit, tu as été à tel autre, tu as tapé du, du euh, point sur la table qui fait que les, les problèmes sont, sont, sont, résolus. Non, il faut et, attaquer le problème à la racine. Comme ils l'ont dit, le paludisme, chaque année, on n'a même pas besoin d'attendre la période euh, de, de, de, pluie pour avoir le paludisme. À chaque fois, il y a le paludisme. À chaque fois, on sait que les enfants sont les plus vulnérables et les, les vieilles personnes. Il y a, il y a quand même, Rufai, euh, cette initiative qui a été lancée par le gouvernement, notamment euh, la, euh, la, campagne de, chimio, prévention, euh, prophylaxie saisonnée, de, paludisme saisonnier, qui consiste à administrer en tout cas des, c'est comme la, médicaments. La, DIABA, même s'il y a l'argent qui est investi, et Dieu seul sait qu'il y en a, il est mal utilisé, il est mal réparti aussi peut-être dans... Quand vous parlez par exemple de, la malnutrition dans la région de, de Maradi, ça, c'est un, un, problème vieux comme, comme, le monde au Niger, si on peut le dire. Ça, tout le monde sait. Il faut, il faut aller dans la région de Maradi, pas dans la ville même de Maradi, dans, dans, dans, aux, alentours. Oui, aux alentours, pour comprendre cela. Beaucoup, vous savez, les gens pensent que Niamey, c'est le centre du monde. Il faut qu'ils se désillusionnent. Le Niger, c'est à l'intérieur du pays. Et tous les problèmes qu'on constate sont à l'intérieur du pays. Il ne faut pas dire parce qu'on a fait, parce que le disait, c'est ce que l'État donne, c'est au niveau central. Lorsque dans les régions, ce sont les ONG, ce sont euh, les institutions internationales qui opèrent là-bas, c'est qu'il y a quelque part la faillite de l'État. Et ça, il faut le rattraper pour que l'État contrôle presque tout et qu'on essaie de de solutionner tous ces problèmes. Est-ce que vous disposez d'autres informations au sujet du type de maladie, euh, du type et de l'origine de la maladie dont je venais de parler, notamment celle d'Agadez qui, qui fait des victimes, en tout cas euh, qui a nécessité même l'hospitalisation dans un pavillon spécial euh, des malades Non, <laughs> je, n'ai pas d'informations sur cette maladie. Au, au moi, je veux dire, quand il y a ce genre de À un moment, les gens ont pensé qu'il s'agissait du choléra avec euh, pratiquement hein, les mêmes symptômes. Ce n'est pas, euh, le choléra, mais normalement, c'est les techniciens de santé du ministère qui doivent sortir dire voilà la situation. Mais même ça, il n'y a pas eu l'information. La moindre des choses, quand il y a ce genre de, de, de, de problème sanitaire qui se pose dans une région, on doit rapidement alerter parce qu'on ne sait pas si c'est contagieux ou pas si c'est contagieux, ça peut se propager au niveau des autres régions. S'il n'y a pas une information, s'il n'y a pas rapidement la réaction qu'il faut pour pouvoir contenir, savoir exactement de quoi il s'agit pour éviter que ça se propage dans les autres régions du pays. Malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'information. Tout à l'heure, Abba vient de dire que même par rapport à la situation des décès à Magaria, il a fallu l'ONG MSF pour que les Nigériens apprennent que chaque jour, il y a au moins 10 enfants qui meurent à Magaria le rôle de l'État d'abord. Informer, ça ce c'est pas une honte. C'est une situation qui est là, une crise qui est là. Il faut prendre ça à bras le corps pour faire en sorte que, même s'il y a un, un, une situation de contagion, qu'on puisse circonscrire, comme ça s'est fait concernant l'Ebola le Ebola dans les pays où ça sévit, pour circonscrire mais quand les gens se taisent, parce que tout simplement, quand on parle, on peut penser que non, on veut montrer que l'État ne travaille pas. Non, ce n'est pas une honte, c'est un phénomène qui est là, c'est une situation qui est là, il faut le, poser et il faut que créer les conditions pour que la contamination éventuellement ne puisse pas euh, se, propager. Abbas Boukar Bon, je pense que si j'étais à Grèce, j'allais être très inquiet on dit euh, voilà une maladie qui est là, qui, qui, se manifeste de telle ou telle façon, il a fallu évacuer les gens, on ne sait pas de quoi ils souffrent. C'est quand même inquiétant. Or, le rôle de l'État en pareille circonstance, c'est quand même de rassurer les citoyens. Il faut rassurer les citoyens par une très bonne communication pour que les gens ne paniquent pas. Parce que là, si on ne sait pas de quoi il s'agit, tout le monde panique parce qu'il s'agit d'une maladie. Donc, euh, c'est comme ça que les autres épidémies sont arrivées. Donc, à mon avis, la première chose que l'État doit faire, c'est une bonne communication pour essayer de rassurer, montrer aussi qu'il prend des mesures, qu'il ne courage pas les bras, pour faire en sorte qu'on puisse découvrir rapidement de quoi il s'agit et de prendre en charge les malades. Donc, à mon avis, c'est d'abord ce rôle. Mais aussi, il faut, il faut informer les citoyens. On est dans une république. Hein. <laughs> L'État a beau demander de l'impôt, c'est bien de demander de l'impôt. Il y a aussi des obligations, il faut tout C'est le tout qui va ensemble. Bien. Euh, nous terminons cette fois-ci avec le volet sécurité routière. À compter du 1er octobre prochain, le port de la ceinture de sécurité en voiture et le port du casque pour les conducteurs et les remorqués sur cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes deviendront obligatoires dans la ville de Niamey ainsi qu'en rase campagne. Une décision annoncée le 12 septembre dernier par le président de la délégation spéciale à la casse auto de Niamey appelée marché de la ferraille. Les automobilistes accourent pour se procurer des ceintures de sécurité à installer dans leurs véhicules afin d'être en règle avant le 1er octobre. Suivant à ce sujet le secrétaire général de la ferraille, Ibrahim Soumaïla Gabay. Il y a l'engouement pour l'achat, mais la ceinture de sécurité, elle fait rare maintenant parce que les gens pullulent, ils viennent, ils cherchent, ils n'en trouvent pas. Parce que euh, beaucoup sont informés, il y en a qui se sont appropriés pour aller déposer, faire euh, une revente quelque part. Non, la ceinture n'a pas de prix bien fixé parce que ça dépendra aussi des qualités de voiture. Les voitures euh, sont de familles différentes. L'exemple que je vais vous donner, c'est-à-dire il y a la famille des voitures où la ceinture même, elle portait l'âge de la voiture sur elle-même. Non, la ceinture avant, elle est même jetée. Parce qu'avant, la ceinture, elle ne dépassait même pas un 200 francs ou un 100 francs. On ne veut même pas de ça. La ceinture, elle peut valoir 10 000 francs ou plus sur les petites voitures. Hein. C'est tout le monde qui vient chercher la ceinture ici, avant la date. Euh, bon, c'est disponible. Il y en a qui viennent, qui en trouvent. Il y en a qui viennent, qui n'en trouvent pas. Ibrahim Soumaïla Gabay, secrétaire général de la Ferraille. Hussein Issa, Pensez-vous que les Nigériens vont enfin se conformer quand on sait que bien avant l'ère démocratique au Niger, le casque était obligatoire et que de nombreuses tentatives ont échoué Oui, effectivement, ces deux nouvelles mesures-là, l'époque de, la ceinture de sécurité et puis du casque, hmm, c'est des mesures qui visent à mobiliser de l'argent avec les citoyens avec les citoyens. Parce que ce, n'est pas, pour leur protection Mais la protection des citoyens. Commençons d'abord par arranger les routes. C'est ça. Quand les routes sont bonnes, aujourd'hui, pour arriver de l'intersection là-bas, la voie pour arriver ici, c'est une voie latéritique avec plein de nids et tout et tout. Les gens vont peut-être accourir, mais le tout n'est pas d'édicter ces mesures. Encore faudrait-il que tout le monde, tout le monde, parce que ce n'est pas simplement à Niamey, ça doit être une mesure nationale, ce n'est pas simplement ici à Niamey, quelqu'un va se lever un beau matin pour dire non, désormais, parce que j'ai l'impression que c'est le gouverneur de la région de Niamey. Le délégué spécial oui, mais, oui, d'accord. Qui a décidé d'instaurer ça. Mais l'application, parce que le plus souvent, et la violation de ces dispositions-là, c'est ceux qui sont en haut. C'est ceux qui sont en haut. C'est pas, par exemple, le POC de casque là. Certainement, ceux, qui disposent de motos, ils vont se débrouiller pour trouver des casques. Mais au niveau des véhicules, il n'est pas évident que la mesure puisse être appliquée. Il n'est pas du tout évident parce que ceux qui sont en haut. C'est qui ceux qui sont en haut Mais Ceux qui sont en haut, les gouvernants, les régents, ceux qui sont euh, euh, à des postes de responsabilité, ils ne s'arrêtent même pas souvent au feu, au feu de stop. On verbalise beaucoup plus ceux-là qui, n'ont pas de possibilité d'aller plaider leur cause ou d'appeler en haut pour demander à ce que, voilà, j'ai été verbalisé et que il faut, il faut, il faut qu'on annule la verbalisation. Malheureusement, c'est à ça qu'on va assister. Et ça va durer combien de temps il faut arrêter. Les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes, c'est la situation des routes, même à Niamey. Il faut d'abord arranger les routes quand on veut que les gens portent les casques et tout. C'est bien de porter le casque, c'est une mesure de protection individuelle. Mais encore faudrait-il que ça puisse s'appliquer à tout le monde. Et je doute fort qu'on puisse l'appliquer à tout le monde. Euh, Rufai Dandoua Je crois qu'il faut arrêter de divertir les gens. Dans un pays, le port de casque Tout. Dans, un, pays où on bloque toute une circulation pour faire passer un ministre qui est en retard avant d'aller au boulot. Ça veut dire que le policier n'a même pas le temps de regarder s'il a porté sa ceinture de sécurité ou pas. Ça veut dire que lui, il est hors la loi on, ne va pas le verbaliser, on ne va pas l'amender s'il le fait. Et moi, je me rappelle déjà de la loi euh, qui, interdit l'utilisation du téléphone portable au, volant. Je me rappelle, moi, je, me rappelle avoir couvert ça du début jusqu'à la fin. C'était au temps du ministre Ibrahim qui était au transport. On a, ils ont fait tout un tapage médiatique. En fin de compte, lui-même, il est sorti pour dire, à l'époque, il était dit non, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas euh, empêcher facilement. Donc la loi est allée aux oubliettes. Aujourd'hui, <clears throat> un délégué spécial se lève dans un pays pour dire j'interdis cela seulement, ça veut dire que c'est seulement à Niamey, pas à l'intérieur du pays, puisqu'il n'a pas autorité sur euh, Dosso, sur Tilaberi, sur Maradi ou autre. Ça veut dire que c'est seulement à Niamey. Parce que Niamey est devenu une entité à part au, au, Niger. Maintenant, on dit, OK, vous avez 20 jours pour vous conformer. 20 jours, même la communication ne peut pas atteindre toute la population de Niamey. Sauf que de, Rufa, les, gens, les, Nigériens savent quand même que le port du casque. Les, gens sont 2 euh, millions d'habitants. Moi, je pense qu'on n'a pas, pas besoin d'attendre les, sermons d'un délégué spécial pour porter la casque ou pour porter la ceinture de sécurité. Moi, personnellement, c'est un réflexe pour moi quand je rentre de porter et la ceinture de sécurité. Personne n'a besoin de me le dire. Maintenant, vous, prenez, vous allez voir les porteurs de tenue eux-mêmes Regardez la plaque. La plupart des motos de porteurs de tenue n'ont pas de plaque. S'ils viennent devant les policiers, on, leur fait même garde vous ou quoi on appelle, ils passent. Un, deux, ils ne portent pas les casques. Personne ne les verbalise parce que ce sont des, camarades de, de tenue ou quelque chose comme ça. Troisièmement, moment. quand tu viens par exemple maintenant avec la ceinture de sécurité, si tu es dans une 4x4, la Hariman, on l'appelle ou quoi là, le policier, il faut même pas t'arrêter. Même s'il t'arrête, c'est pour prendre quelque chose avec toi. Donc, je pense, moi, j'espère que ce n'est pas pour enrichir certaines personnes que cette loi a été faite, puisque vous l'avez entendu, le monsieur l'a dit, aujourd'hui, avant la ceinture c'était à 200 francs, les gens n'en voulaient même pas, aujourd'hui ça atteint 10 000 francs. les, casques aussi, à un moment les gens n'en voulaient pas, mais quand on a exigé aux gens, c'est passer de 1 000 francs à 5 000, voire 10 000 et même 15 000, 20 000 francs. Vous voyez, et, la loi on sait comment ça se passe. Les premiers jours, premiers mois, euh, ils vont sévir, mais en fin de compte, donc, je pense qu'il faut arrêter de divertir les gens. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont plus euh, cruciaux, pour, euh, même pour la, pour, pour, pour le, la santé des, citoyens, que vraiment le port de casque ou la ceinture de sécurité. Abbas Boukar, le port de casque et la ceinture de sécurité, enfin, les, en tout cas, les habitants de, la ville de Niamey, dans un, dans un, temps, dans un premier temps, euh, vont être obligés euh, de, répondre à cette exigence. Mais je pense que la première chose qu'il faut constater, c'est que ces dernières années, si on regarde un peu les publications des médias, nous sommes classés comme un des pays qui a un des taux d'accident les plus élevés moment, on a même pensé que dans la sous-région, nous étions les pays où il y avait le plus d'accidents. Hmm. On s'attend à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures pour lutter contre ça. Le gouvernement a pensé à un moment qu'il pouvait obliger les gens à porter le casque. Mais les mêmes personnes qui sont intelligentes, normalement soucieuses de leur santé et de leur vie, refusent et résistent. Le gouvernement a presque abandonné. Maintenant, un, euh, responsable d'une ville pas du pays, comme l'ont fait remarquer mes prédécesseurs, quelqu'un d'une ville, un responsable dit qu'il va imposer le casque et la ceinture. Qu'est-ce qu'il dit Je vous donne un délai pour vous conformer. Aucune communication. Et donc, il y a cette précipitation dans la répression. On veut coûte que coûte répresser, montrer qu'on est le pouvoir public, qu'on peut toujours réprimer les gens, ou leur prendre de l'argent, ou les verbaliser, ou en tout cas les obliger à faire. Ça ne marche pas, il faut se rendre compte. On a déjà fait sur le téléphone, ils l'ont rappelé, sur le casque, on l'a déjà essayé. Mais on le fait d'abord pour la santé des gens, pour leur bien. Ces gens-là, c'est des personnes bien conscientes auquel on aurait pu dire, écoutez, pour votre santé, faites-le, il devait les faire normalement. Mais les gens résistent. Eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Avant de euh, rééditer cette décision-là, avant de la ramener, tirons les conséquences. Pourquoi avant les gens ne l'ont pas accepté C'est aux mêmes personnes qu'on s'adresse, je suppose. Et donc, à mon avis, il y a toujours cette volonté de faire les effets d'annonce. Comme euh, l'a dit, on va l'annoncer, les deux premiers ou les deux premiers mois, on va le faire. Après, on oublie, puis on passe à autre chose. Mais dans le principe, quand même, c'est bien. Dans, le principe, si on peut prendre des mesures qui protègent les citoyens, ok. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il est contre ça. Mais ce qu'on dit, les gens ont du mal à croire. C'est ce que les gens disent. Or, normalement, regardez à l'hôpital des Néami, quand vous partez voir ces jeunes de 15-17 ans euh, sur des motos qui roulent comme à tombeau ouvert, qui viennent totalement blessés. Les ménages ont très peu de moyens pour les prendre en charge. Vous êtes aux urgences, vous n'avez pas de l'argent pour vous soigner. Ça ne plaît à personne, mais il faut que l'État, lorsqu'il prend des mesures, qu'il soit capable de prendre des bonnes décisions. La réponse actuelle, dire vous faites où je vous réprime, c'est une mauvaise décision. Alors, comment, euh, Rufa, je vais venir, comment l'autorité peut accompagner ce processus pour que les. La première chose, en tout cas, il faut convaincre les gens que lorsque vous n'avez pas de casque, dans un pays où tous les jours, les gens en moto sont victimes d'accidents. La première chose, c'est de rappeler aux gens, c'est pour leur propre bien. Il y a une communication à faire. Rien n'y va de lui-même, ce c'est pas possible. Nous sommes dans un pays. Regardez ces jeunes-là, là où ils ont intérêt, ils le font. Regardez, dites aux jeunes, ne prenez pas de smartphone un jour. Vous aurez du mal à leur empêcher ça. Ils le font parce qu'ils pensent que ça... Alors, pour leur santé, il y a l'éducation, l'information euh, pour le développement, pour la santé des gens, pour les convaincre. Ça existe, on n'a pas inventé la roue, ça existe dans tous les pays du monde. Il faut convaincre, il faut communiquer, convaincre les gens. Faites la communication avant la répression. La répression, c'est une autre étape. Mais la première chose qu'on veut, on veut réprimer parce qu'on est le pouvoir public et ça ne marche pas. Il faut tirer. Rendons-nous compte que ça ne marche pas et arrêtons. Euh, suivons le bon chemin pour arriver à prendre les bonnes décisions. Sinon, personne n'est contre le principe. C'est comme ce que vous a dit on dit payer l'impôt. Est-ce que quelqu'un a dit dans ce pays qu'il est contre l'impôt le, oui, on a, on a quand même l'impression que euh, euh, c'est de, la récupération. Quoi. Il faut juste, c'est un effet d'annonce. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il y a un groupe de jeunes des, jeunes Nigériens qui avaient même initié. Effectivement, sur les carrefours. Oui, les carrefours. Le, le oui, moi je, les connais, c'est des petits frères. Et hop, quelques jours après, c'est la délégation spéciale qui récupère ça. Vous voyez, maintenant les jeunes là, on va les appeler sûrement, je ne sais pas, je sais que ça va être la pratique. On, on va les donner, quelque chose maintenant, on va, on récupérer. ça ne se passe pas comme ça la gestion d'une cité. Non, je suis désolé, c'est l'effet d'annonce et malheureusement, si ça peut aller dans le temps, d'accord mais si c'est juste pour le faire pour un temps, je suis content qu'il y ait ça parce que euh, on, s'achemine vers le sommet de l'Union africaine. Peut-être c'est pour tout cela qu'on fait, mais aussi, comme l'a rappelé Hussein, il faut arranger toutes les routes là, même si c'est mettre des graviers et autres. La télé. de le faire au plan national les oui. citoyens sont partout. si, on, veut sauver les vies, ce n'est pas les vies des gens du Niamey seulement qu'il faut sauver, il faut sauver les vies des gens, de tous les Nigériens. vous Issa, mais rapidement, euh, ce que je veux dire, c'est juste pour chercher de l'argent, ce n'est pas autre chose. c'est vraiment triste de le dire. Parce que quand on veut amener les gens à changer de comportement, on doit communiquer, on doit ah, sensibiliser. quand il n'y a hein. pas ce travail de sensibilisation, imaginez que le casque, le prix du casque, le coût du casque va monter, flamber. Et eh, maintenant, quelqu'un eh, va avoir le marché. Quelqu'un va avoir le marché pour aller prendre voilà. ça. s'il te plaît, il va finir. Voilà, le casque le casque, oh, tout à l'heure, l'intervention du, SIG SG de, Ferraille. et il dit que ça, ça coûtait 200 francs. Les gens achetaient ça pour tracter des véhicules à 200 francs. Aujourd'hui, c'est passé peut-être à 10 000 francs. C'est tout simplement, c'est devenu une contrainte. C'est ça qui est dramatique. On fait du business, on a peut-être donné le marché de commande de casque à quelqu'un qui va venir s'enrichir. Parce que le casque, euh, avant la, la, mise en œuvre de cette, euh, comment dirais-je, l'annonce de cette mesure-là, le casque faisait 4500, 3500. On aura quand même réussi peut-être à sauver des vies. Mais, non, mais sauver des vies, mais surtout enrichir quelqu'un. C'est ici que prend fin le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de nos confrères Abba Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Hussein Issa, journaliste indépendant, Rufai Dandoua également, journaliste indépendant. Merci à vous d'avoir été des notre durant ces 45 minutes. Présentation à la Sankouzi Mamadou, la technique a été assurée par Hussein Issaka. Rendez-vous demain samedi et dimanche de 17h15 pour les forums en Hausa et en Zarma. Bonsoir.